vraiment pour se solidariser avec notre maire. Nous savons que tout ce qui est en train de se faire, c'est un complot contre notre mère, vraiment. Et on est très juste. la réalité, il n'y avait pas de contrôle dans ce pays-là il il a trouvé des partenaires et tout cela. Ils ont tout fait pour avoir le pétrole. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit le laisser travailler. Il ne doit pas y avoir de barrage, il ne doit pas y avoir de... C'est pas pour la démission parce qu'il nous est très utile. Alexandre nous est très utile. Il est utile pour le pays, il est utile pour Guédioï, il est utile pour tout le monde parce qu'on sait que c'est un travail, il a le niveau, donc on doit le laisser travailler. Bien sûr, on n'acceptera pas qu'il démissionne. Voilà. Qui est en cours, nous, au lan la entravé liggéeyu maire bi lan amu len c'est un acte politique bu gars poser ñun ñu wara poser posé acte politique c'est tout mais Aliou pour vous dire d'une manière très succincte moy ñun ak Aliou mais mais mais ñu leen sax wax fu ñu tolloog moom géejawaay ñoo bëgg Aliou géejawaay ñoo ko dénk liñ ko mu yor loolu nak dañ ko sam ak mom ba fu yem Cette démission-là, nous disons à Macky Sall que nous n'acceptons pas cette démission et nous lui poussons à ne pas accepter la démission de la CDC. Et s'il voulait aussi démissionner ici à la mairie, nous n'allons pas Ce n'est pas nous. c'est auto Oui, tout à fait, parce que M. le maire n'avait pas à démissionner. Le mot c'est ça, c'est ça. Guédiouaï l'a élu avec une majorité n'est pas à lui de dire que je vais démissionner comme ça, sans sans, informer la base. Même s'il avait informé la base, nous n'allons pas accepté qu'il démissionne. À cause de quoi À cause de ces faucons-là qui sont là tout le temps en train de, dire que nous allons barrer la route à, à Mais dites-vous bien que si jamais le président accepte cela, il ne va pas, ils ne vont pas s'en arrêter là. Ils iront directement sur nous. Je vous assure, nous, nous, nous en tant que militants, en tant que nous disons que nous n'acceptons pas Sall soit sacrifié. Nous pensons tout simplement que c'est de l'affection envers une population et son maire. Effectivement, il devrait peut-être pouvoir le laisser parler. En tout cas, moi, je reste convaincu que le président Alun Sall ne va pas démissionner. Parce que personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit sur la gestion de la caisse de dépôt et de consignation. Personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit pour personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit pour la gestion de la mairie de Guédiouaï. Maintenant, maintenant, les Sénégalais doivent savoir que BBC, en l'occurrence en l'occurrence Mayenes Jones, qui est l'auteur principal de ce reportage fumiste, ne veut pas déférer à la convocation du, procureur. Cela veut dire que toutes les allégations de BBC et de Mayenes Jones sont fausses. Cela veut dire que ces gens sont animés d'une mauvaise intention qui est de détruire la stabilité politique et sociale du Sénégal. Et cela, nous ne le laisserons pas passer. Aline Sall a porté plainte. ma ni du parlé. waxatu. ku ma xam tu ni du ma nous géejawaay nañu. Aliou nous bëgg. Aliou Allez, xam. Aliou la wolu. rek déclaration du ko fi du